lëmbee ay bëss bi ñëpp xam nañ ko muy rapport IGE rapport IGE nak euh, buñ ko déggé défé na ñëpp légui min nañ ko xam nañ lan la mais laaj bu njëkk bi euh, sampu lutax ñu bolé 2016 2017 2018 ak 2019 jébbalandoo ko chef de l'État ndax waruñu ko won def at bu nekk ci tontu bu gatt rek euh, président Seydou Diouf nga léral ñu fofu bala ñuy mëna a bu baax lutax ñu dajale ñeenti ati rapport jébbal ko ko benn yoon ndax dafa rax politique ndax euh, yoon la ndax ndax bëri na ay laaj bismillah Seydou. waaw maa ngi lay remercier bu baax Pape Ablaye di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi je pense que ay xarit rek laa fi am euh, di nuyu sénégalais yi leen di suivre je pense que c'est une belle émission. boo xam ne Sénégal bitim réew ñëpp dañ koy suivre. je pense que da nga poser question boo xam ne. Nous avons sur le dernier rapport de la cour des comptes hmm. euh, parce que euh, loi de wax que à at ou plus tard euh, le 31 mars l'inspection générale d'État déposer son rapport sur hmm. le président de la République mais souvent on a constaté que le rapport yi en retard gisoon nañ ko cour des comptes bi passé nous en 2017 2018 2019 déposé nos lolu en général euh, sphère d'intervention du de contrôle bi ñuy bëgg c'est def bu yato té généralement aussi seen personnel ñom dafa tënku. Hmm. Euh, loolu mën indi rapport yoy mais c'est pas le euh, lo président de la république daf ciy dugg hmm. euh, gannaaw bu mu valider ñom proposition yi def ne dañu bëgg telle activité telle activité comme ils sont placés sous l'autorité du président de la république il faut une approbation donc mise en œuvre inspection générale d'État le concerne donc l'année où war retard, nous ce retard dans la publication des rapports Nous euh, avons des rapport en même temps remettre au. Lolo objectivement moi je n'ai pas l'information mm. mais c'est des choses qui peuvent arriver comme nous mu dans le cours des comptes du mm. passé mais beaucoup de comptes moi je sais que li ko gënoon indi mooy euh, souvent une compétence faille large et nous nous toutes les ressources humaines Cour des comptes pendant longtemps par exemple ils avaient un déficit de vérificateurs d'assistants vérificateurs alors que le nombre de magistrats était très restreint L'OLU, ça a été une raison ça pouvait être une raison

je pense que moi ni que honorable je pense que même question moi, on dit ñuy wax waxu Cour des comptes. Mm-hmm. et à l'époque argument bi ñu que il n'y avait pas suffisamment de personnel. Mm-hmm. et et et là je pense que tey ñun waruñu toog am xalaat ci mm-hmm. ci wala avis si tey ñëw na un an de retard ou deux ans de retard li ñu war a interroger mooy lan la def ci rapport et je pense que suñu toog Sénégal ba dégg ni rapport bi génn na. diw am na ci problème wala diw am ci judiciaire le seul cas qu'on a vu mooy un traitement politique moi, certainement le dossier Khalifa Sall. À part ça, la question qu'on a se aujourd'hui, c'est le rapport du servir. Hmm. Et apparemment, ça ne sert absolument à rien. loolu dinañ ci tontu léegi laaj bu légitime la n'est na lan la rapport de di jëriñ ban njeexital gis na ni benn bukki rek a màtte ci rapport de te Khalifa Sall la màtte Abou euh, der euh, question boobu nous, ñun place citoyen yi euh, di waxal askan dafa am ñun xam. Hmm. parce que xam nga IGE. Hmm. dafa nek ben corps d'élite. nga baal rek ñu ñu ñu delloo masque bi. Euh, parce que hmm? ñun ñun dina dina. mangi maa remercier au passage le colonel le médecin colonel. mais comme il nous rappelle que. nañu respect nañu sol masque yi. et puis ni ko wara solé. non xam nga def nañu respect de la distanciation. Ah, waaw respect distance am na waaw am na donc si la ñu né di liggéey mesure barrière yooyu. su suñ ko respecté. dinañu permettre parce que après. kon bismillah donc. Euh, pour revenir encore dama ne IGE xam nga ñun ñi nga xam ne ni ay ay génération la ñu nekkoon ay xale dañ ko doon dégg. Hmm. ñu ne dañ ko créer jamonoy parti unique sous Senghor. Hmm. mu nekkoon benn corps boo xam ne dafa nekkoon foofu. président de la république logique ko présidence mu hmm. di ko yónni muy def ay vérification donc loolu mënoon na amana mana bi amoon na solo parce que daan na permettre à ce que mu am œil ci fonctionnaires yi nga xam ne dañu yor deniers publics donc IGE continuer ba ci président Abdou Diouf donc IGE ñëw ba président Abdou Diouf jeexale ñu dem ba diggante 2002 ba 2004 ci boobu le sénégalais yi dégg commencé dégg IGE mais anam ak fa IGE jëm mo len xawa a jaaxal mu dem corps d'élite bo xam ne fay dugg hiérarchie A ngay nekk euh, def concours nga dem ba nekk ci ñi meilleur ñuy japp ñi ci ñu meilleur ngeen bok ñu mettre leen à votre disposition tous les moyens ngeen nekk ay élite donc dit produire ben rapport ñu ñëw ba 2004 entre 2002 2003 2004 si nous à à gis IGE nous, askan nous problème avec nous nous yi appareil la présidence pour que muy def vérification su mu def sanctions finalement, ci askan finalement problème parce que nous xamul ndax dafa servir hmm. le président de la république souvent pour mu nous ay politique voilà wala daf pour nous koy dissuader ay ñenn nit wala ñenn nga faire bëgg nañu parce que problème 2000 chantier de Thiès 2000 Thiès IG dafa am leçon dafa am ñu ci te neexul donc pour dépasser tout IG nga ñëwaat ba ci dossier bu ma à boo xam ñu créé un mouvement dañu violer ay droits humains ci dossier Khalif corps diplomatique yi toog naa see Des def ci pétition personne bi dañu ko togn té rapport bi lañu wax ci lañ ko togné tay même IG bu génné ñu wax ñu ni ci biir rapport bobu nekkuñu ci donc problème bi ma wax sank ci suba fenn fu ma nekkoon ma ne leen dafa jot ñu évaluer IG su fekkee amna benen corps aussi bu mëna dugg biir IG ñomit it inspecteur général détail parce que tay question d'honneur parce que ñaata famille ak ñaata personnalité le IG tuddu ci ay mbir tay ku melni kaw khalifa abou bakkar Sall bi nga xamni lepp lu mu yoron ci ndombo tank ci lañ ko muju dindi te IG moo joxe rapport boobu te IG en même temps dafa am ay rapport yoo xam ni dañuy wax mu ci wet tam am na rapport bu tudd petro ku ñuy wax Nafi ngoom kayta jamono jooju moo doon patron bi foofu la ko tàmbalee bi mu demee OFNAC continuer ko IGE ñëw ne rapport boobu bu mu joxee dara joxe ay recommandation respecté wuñ ko rapport bu tudd Samuel Sarr nekk sur la table am rapport boo xam ne ni dañuy ñëw sax naan ñu ku fuité rapport bi procureur génn di ñu wax ne ni euh, képp ku ñu gis nga yor document bi dinañ ko jël donc même IGE su dee ay inspecteur général d'État ñoo nekk foofu nga xam ne à chaque fois président bu bëggé def benn dossier bo xam procès ba procès politique lay mujjé ñom lay utiliser pour man wa IGE ci seen walu bop mo jot ñu sang seen bop ñoo jot ñu xol ndax l'opportunité de ce corps fiñ ko logé amna solo wala ndax ñi nga xam ay parlementaires lañu ñi nga xam ñu ngi ci majorité xel président de la République est-ce que mënu ñu dimbali IGE pour que ñu tinki ko parce que réformer IG ba nga xam ne ni bu fekkente ne ni dafa def ay rapport am rapport yi dinañ ko a jébbal ñu koy jébbal ki nga xam ne mooy seen patron te corps boobu booy xool bari ñoo xam ne dañ fay jógee dem nekkaat ministre nekkaat leneen dafa leen di may yenn opportunité kon ku mel ni Makhtar Cissé fa la jógee c'est mm. inspecteur général d'État la te muy corps nag bu ñuy saluer mm. parce que ay borom xam-xam ñoo fa nekk mm. Boubacar Camara fa la nekkoon jël disponibilité donc corps boobu bu ñu demee bay sànq ay nit di rek di tax nit ñi leen seen i parce que vous avez des dossier ci yow donc corps bobu pour man dafa lacc ñu sangat ko évaluer ko auditer même IG. Malal da nga japp comme ni ki affaire dafa rax politique. waaw lool luma que la. Hmm. parce que déjà problème bi njëkk moy pourquoi la publication des rapports doit être liée à une audience avec le président C'est un problème bu njëkk bi. ci problème bi ci top moy bu amé retard comme ni mu parce que nous ngi 2016 2017 2018 et 2019 nous avons publié en 2020 Nous avons rapport rapports rapports ne ont jël boole ko rapport yoyu, lan la saytu mooy ay exercice effectivement 2014 2015 etc. etc. un rapport 4 ans de retard, ça multiplie le mal par 4. C'est-à-dire bu si nit ki def na un njaaj def ay tuuxi duuna sàcc luubal c'est-à-dire tant que est publié il ne sent pas qu'il est en danger il continue parce que njëriñu rapport mooy malal denk nañ la nangam ni nga défé ci ni nga dépensé xaliss bi munoon nga ko dépenser nenen amna ay malversation gis nañ ci ni xalé du yoon année bi ci top dina moytu motax publication rapport yi wara annuel parce que aussi lool la texte yi wax leneen di ci top moy instrument de pression la comme nim ko waxé c'est-à-dire fay yombal transhumance fay yombal lenen mais li changé si rapport yi diggante Abdoulaye Wade diggante Abdou Diouf xëy Senghor Ablaye Wad ba ci Macky Sall ci Macky Sall lu ci changé parce qu'aujourd'hui on nous présente les rapports sous forme de résumé c'est des résumés on s'arrête sur juste ay ay globalité alors que sous Wad on nous disait Awa Ndiaye jël na fi ay kuddu jënd Awa Kuddu il fa la affaire bi Kuddu on se rappelle de ça on se rappelle de ça mais rapport Bini, ce c'est pas des rapports détaillés alors que quand même rapport fay détaillé. est-ce que est-ce que le c'est le rapport qui est destiné au président qui est détaillé. et nous mais ñun nan lañ ci hmm. effectivement ben bâton ci kaw bop parce que fait moy xamal na la nangam ak nangam élection ya ngi ñëw en fait buñ ko géré wul nonu nan lay démé si le rapport est suspendu et lié à une audience avec le président si par exemple bu féké élection mu ngi waaj djégé ci si waaye IGE bëgg ñëw mu président lire rapport bo xamante ay nitam tak nañ ci bu baax tak nañ ci rip président mën na aj audience bi parce que du ko arranger hmm. ci élection yi hmm. donc ci liñu wara war taxawaat mooy corps de contrôle yi IGE tout ça dañ leen wara réformer réformer leen xoolaat leen ci naka lañ koy naka lañ koy doxale man lola, laa loolu laa gën a jàpp. alors euh, xëy euh, na pour ñu gën a avancer euh, la question qu'on doit se poser euh, également au-delà de ñi ni ñu dénoncé xam naa dinañ ci yegg mooy naka la ñuy def tamit ba observation yi yëpp. mu am njëriñ comme niñ ko waxé eh, ni ko le ressenti en tout cas bi ñi ñëpp moy affaire bi dafa dafa dafa rax euh, politique donc di nga ñu ci mëna indi laaj alors daw de Mine première impression ci ci rapport bi. Euh, première impression. ak li ci nit ñi jotta wax. waaw li fi li fi li fi jotta wax. Euh, man bu may bu may bu may wax duma mettre en cause IGE. Mhm. parce que même bo xolé rapport bu mu ci nga xamante def nañ mu ci parce que si ñu demee ba nga même épinglé le président de la République sur un certain nombre de dysfonctionnements mm. même ci décret de répartition des services nga xamante ne def nañ seen liggéey euh, déjà euh, service la bu nga comme ni ko ñëpp c'est un service prestigieux bu nga a ne mi ngi logé à la présidence je pense que euh, problème fondamentalement problème fondamental bi nekkul ci liggéeyu IGE mi ngi nekk ci exploitation bi nga xamante dañ koy def ah, après bu ñu defee seen rapport je pense que loolu mooy problème fondamental mais pour li nga xamante ne moom mooy seen liggéey tey boo xoolee rapport yi nga xamante dañ ko déposé euh, franchement boo ko xoolee nga xamante ne def nañ liggéey bu mucc ayib euh, am na ay manquement yu nga xamante ne euh, desale nañ ko ci administration d'abord avant que ñuy dem peut-être ci yeneen service yi nga xamante ne parapublic comme ay mairie et consort déjà loolu mu ngi ci rapport yi li nekk ci prison yi wax nañ ko li nga xamante moom moo nekk décret de réparation yi wax nañ ko dem nañ sax ba fi sujet le fait que Euh, voiture de l'administration a yi amuñu ay visite technique alors que je pense que bu fekkene yow yaay que sangu da nga war ci mhm. donc pour wax la man duma duma duma duma du accuser IGE que dañuy def politique je pense qu'ils ont fait quand même leur travail. Mhm. maintenant maintenant exploitation biñu def sen rapport yi je pense que faut que nous taxaw seetlu man dama am yaakaar au lieu que ñu jël rapport diko jox président public il faut que ñu changer loi bi. Mhm. par exemple bo comme ben ben direction bu melni comme moom ben service bu ñu centif nga xamantani ñom ñoy ñom ñoy def euh, ñom ñoy saytu li ñuy woowee blanchiment d'argent kooku loi bi daf leen permettre buñ démé ba gis ay malversation wala ko nga dafa def blanchiment de capitaux duñ ko jox président duñ ko jox kenn dañ koy dem jox directement procureur et loi bi dafa obligé procureur ci bopam mu jël dossier bi jox ko à un juge d'instruction pour ñu ubbi information judiciaire gis nañ ni par exemple ay rapport scientifique gis nañ fi sax ñu nga xamantene ne ko ku nga xamante ambassadeur la d'un pays étranger bu nga xam condamné nañ ko fi par la justice sénégalaise parce que tout simplement loi bi dafa permettre scientifique ñu jox directement procureur et puis procureur ñu encadrer liggéeyam ci rapport yi ba ne ko tu as l'obligation jël dossier bi nga jox à un juge d'instruction je pense que bu ñu defee loolu dem ba nga xamante ni IGE bu paree rapport am du ko président peut-être même sur le plan peut-être manquement yi nga xamante d'ordre administratif mën nañ ko jox peut-être administration pour que ñu xool na lañ koy saytoo parce que boo xoolee rapport bi c'est des manquements d'ordre administratif le nga gouvernement a corriger mais y a des manquements qui nga xamante ne judiciaires parce qu'il y a des malversations ou des surfacturations ay surfacturation yu nga judiciaire Papis déjà euh, répétition bi ngay a mooy marque. ça veut dire que moi, chaque fois on a l'impression qu'on tourne les choses les mêmes je reviennent les mêmes points restent entiers ça ne bouge presque jamais 90 000 fois nga ci euh, rapport <laughs> rapport annuel bi euh, IGE boo les IGE comme nous avons l'esprit de la lettre l'esprit quoi en lui-même l'esprit mm-hmm. mais c'est formidable instrument de contrôle pour l'État il n'y a pas mieux que ça et les li ci am solo ils ont le profit de l'emploi c'est-à-dire le dialogue vous rappeler c'est c'est des gens triés hein c'est les, voix sur le volet c'est les gens vraiment qui ont le profit de l'emploi comme on dit il bi a rien à dire sur le travail liggéey bi compétence c'est vrai contenu bi li attente attente bi mais le problème ce n'est pas ça parce que vous suggérez par exemple qu'au lieu de transmettre le dossier euh, au président de transmettre au procureur mais dafa dossier, ça n'est jël ndox de le géeju Yoff le beneen ça n'est pas le parce que le procureur, il est sous la tutelle du ministre, qui est sous la tutelle du, président. Ce que le président veut, c'est ce que le procureur va faire. Donc pour moi, ce n'est pas une alternative. La vérité des choses, moi, c'est que le président Bini crée affaire constitutionnellement, toutes les prérogatives pour sévir à la suite des rapports. Mais il ne faut pas aller très loin. président de la République, moi on a appliquer moi affaire mm-hmm. Non, les gens, euh, depuis trois jours, au Sénégal, les gens sont dans l'effervescence, quoi. Mm. Rapport de Nulli, rapport de fondus-lire. Mais rapport, lui, il est destiné à qui À celui qui est le plus puissant dans ce pays, mm. qui a les institutions comme ça mais c'est à lui d'appliquer la chose, c'est pas compliqué. Mhm. On restera ici 50 ans à dire la même chose. Mhm. Tant que lui, n'a pas cette volonté, on ne bougera pas. Est-ce que l'on beaucoup réforme de la affaire, ben affaire, ben affaire, ben en tout cas pour cette année, parce que quelle que soit la redondance des choses, chaque fois dans un volet, vous baisse quoi. c'est à la suite de, la sortie de Talasila, maire de Thiès. Mais dégg dis que question un problème de fond pour moi. Mhm. Mhm. c'est un problème de fond euh, sans être dans l'arbitrage, quoi mhm. malversation ou pas ça ne m'intéresse pas pour moi Ce qui m'intéresse, intéressé l'état soulevé ben, mais mais handicap pour qui est lié hein, à l'acte 3 de la décentralisation. parce qu'on lui fait on lui notifie que de de une interférence entre la commune et la et les villes et que même il convoque l'arbitrage de la de, de, l'acte 3 de la décentralisation. Donc, autant on constate des malversations ou en tout cas des choses qui ne sont pas normales, mais euh, plus loin, on se rend compte que l'organisation, la structure elle-même, elle est mal faite. Donc, doon neex de la doon c'est <laughs> intéressant car le hmm. au-delà de def Defoul, deful li pose posé c'est taal bon am parce que dafay wax ne dañ incriminer si l'on a un droit ça veut dire que là la loi n'est pas claire parce que si tu as euh, en tant que maire non nous défense ville la le non dépense commune mm. il y a problème Tellement on va dépenser et là c'est l'acte 3 qu'on va déterminer donc il n'est même pas clair lui-même donc autant on doit appliquer les choses telles qu'elles ont été proposées par les spécialistes et que nous collat encore manque yi à maintenir euh, on fait face à cela moi ça me paraît extrêmement important et de me convaincre encore une fois euh, acte 3 décentralisation bi li ci waxon lu bari muy ngi dafa am yo xamante c'est inachevé mm. dafa am yo xamante matul té c'est des non-dits c'est des silences c'est c'est c'est autant de choses qu'il faut revoir et puis ñu devons avancer amna fuñu tek un loxo ci ay dysfonctionnement euh, le est-ce que nous, réforme nous, de l'administration nous, nous tollu Seydou nous, ci tontu avant may ñëwaat yow Charles mu mu dugg waxtaan euh, man j'avoue que on ne comprends pas ñun bëgg euh, quand par exemple pour 2019 2020 bi ay novembre octobre novembre septembre 2019 délégué ici sur nous budget 4 et quelques milliards nous liggéey ici, année ébidier, le ministre tout nous assemblée nationale loi de règlement wax bi lu ko Donc jox sommes ko suñu avez suñu mu ngi impôt nous ngi service dette dette encore je ne peux pas comprendre IGE def déjà il y a des manquements avant que l'IGE ne vienne comme dit di euh, pour man l'IGM, e def na maintenant qu'est-ce qu'on fait du travail de l'IGE problème on n'en fait rien parce que tout simplement lan nous suñu vision bo trois exercices sur tegle c'est trois fois 3000, 3000 milliards voire 4000 milliards c'est 12000 000 milliards bu fekkente ne ñaata résidu du xamante ne day nekk en terme de perte en terme de corruption malversation buñ ko waroon xayma ñu ne c'est l'ordre de 10 20 30 Moi, que on a amené nos enfants nos petits enfants di fay loo xamante ñi ñoo toog di def n'importe quoi c'est-à-dire c'est quoi la cohérence de toute cette affaire là dëkk bu bëgg pouvez avancer lan lay teg en place c'est-à-dire on nous raconte du pipeau les gens de regard dañuy xool dans le blanc des yeux di fois quoi ils s'amusent de nous bon c'est comme ça quand bu mu koy toog di ko il n'y a pas plus grande façon que de se moquer des Sénégalais. Donc, mais quand on dit IGE, 4 000 milliards, nous disons que c'est douane, nous que impôt, nous que c'est aïbor. Mais nous ne surveille. Nous ne est-ce que koo xamante ni mu ngi dëkk qui euh, euh, ki dëkk Kédougou ki dëkk euh, fële je ne sais pas moi Sandiara ak nous xool nous xaalis boo xamante ne lu voté dans les dans le cadre de la santé dans le cadre de la décentralisation ak est-ce que nous avons ngi jot xaalis ne ça nous intéresse pas mais quand on dit que l'IGE n'a pas suffisamment de non il y a combien de dafa am liggéey boo a une forme de représentation mu am benn liggéey une forme de, travail de fourmi qui va de la base de la, de, la collecte de l'information. Mais combien, on a d'étudiants ici nous avons que nous pouvons, dans un certain cadre de travail préliminaire, nous montrer le Comment C'est-à-dire que avons une vision. Qu'est-ce qu'on veut véritablement 4 000 milliards qu'on a pris pour, pour l'année prochaine, ou bien pour cette année, qu'est-ce qu'on en a fait On va attendre dans 3 ans, 4 ans pour en parler. Bon, après, dire 3 rapporter l'écho. Mais on s'en Sénégalais. Ce n'est pas une question de que c'est l'IGE je pense que vous bu fekkente ne da ngay une émergence nga bëgg wala nga ko un programme faaw nga commencer par le war commencer il faut refermer notre administration. Il faut une administration une administration qui est par exemple l'administration Macky Sall qui est mise en place pendant le mandat qu'il occupe qu'il est là pour lequel il est là il y a une administration qui doit veiller à ce que quand même mais bon quand on regarde tout ça c'est des répétitions. Donc, ça veut dire que tu feras exactement ça qui a été fait avant. Donc, la bonne gouvernance, on parle vertueuse, on en parle, mais c'est n'importe quoi. La vérité est que le Sénégal souffre de son élite, et essentiellement de son élite politique. dit les rapports de l'IGE l'on ngay n'y a constater et il est dramatique pour le Sénégal 60 ans après n'est que ce constat en dépit de tous les rapports qui ont été réunis. et comme l'a dit Abba vous dee ñenn vous kasoog ce que dee ñeneen nous avons gis ñëpp dinañ aujourd'hui vous faites ne c'est l'émergence qui nous intéresse le président de la République qui parle d'introspection man chaos debout quoi ça veut dire l'équipement, alors comme debout Il parle d'introspection alors que c'est tout sauf le terme approprié. Pour c'était suis pas d'accord que nous devions remettre en cause le travail du IGE pour deux raisons d'accord nous remettre en cause travail e. IGE IGE ah. parce que déjà à la base je man sànq dama doon waxtaan faire un grand frère Moussatine moi expliquer que par rapport à l'union incriminée li Kadakar il a apporté réponse parce qu'on a dit Kadakar fait une bonne compte bon nga xamante expliquer expliqué que c'est tout à fait légal mais aujourd'hui il y a des gens qui en pâture Dès hmm. que génne benn fait bu nga xamante yow même pas le temps de répondre ou de justifier hmm. sinon il a ci xar bi karaw parce que li le mal de ce pays là c'est qu'on a fait divériser le droit public on a même oublié la question de la de la de la Cour des comptes et là ça touche du doigt moi li Charles moi, la problématique moi que IGE au-delà contrôle du def IGE vocation moi aider administration sénégalaise à performer pour améliorer mm. mais ça sert à quoi à chaque fois que sort des rapports alors que l'administration sénégalaise va de mal en pire. Je vais vous donner un exemple ça fait 2-3 ans. Mm. à chaque fois que le ministre des finances il fait euh, il fait il sort une circulaire. Mm-hmm. pour expliquer le budget de l'année. Et le ministre des Finances, ça fait deux ans qu'il relève en fait, c'est que 60% des budgets, des dépenses de l'État du Sénégal sont exécutés par des structures autonomes. C'est-à-dire on a, on a l'administration du Sénégal, on a agencé l'administration, et ça c'est depuis, depuis, depuis Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que le président Maxal a fait depuis qu'il est arrivé Rien. Aucune réforme. Hmm. Première réforme du Maxal, quand il est arrivé, il a fait un comptage numérique. Ils ont sorti 12 000 agents fictifs. Quand on a 100 francs 1 milliard 200 par mois on a poursuivi qui personne et au contraire, à chaque fois qu'un rapport sort, on a l'impression que c'est le président de la République qui organise la diversion. Du rapport Cour des comptes qu'est-ce qu'on va faire On va créer une commission. Une commission de suivi du rapport de la Cour des comptes. Quand moi, je que cette commission-là a été mise en place. Dès que le conseil des ministres, on va mettre en place une nouvelle doctrine de l'administration. Mmh. Ça veut dire quoi ça veut, veut absolument rien dire. Pour un président qui, en 8 ans de mandat, n'a fait aucune réforme de l'administration du Sénégal. Au contraire, c'est lui-même qui aggrave la situation. Parce que le président Maxal va sortir pour vous dire on achète trop de véhicules. Mais on achète trop de véhicules parce qu'il y a trop d'entités administratives. Mhm. ce ministère on est d'accord. il y a trop de postes de dépenses, il y a trop de structures s'il y a trop de structures les véhicules sont des accessoires. Donc s'il y a trop de postes, trop d'agences, trop de ministères, trop de directions, mais il y a trop de véhicules. Et la conséquence aujourd'hui, il n'y a que Maxal d'échanger des choses le gouvernement ça va de mal en pire le Sénégal est un petit pays qui a un ministère de la décentralisation de du territoire. voilà. Sénégal a un ministère aménagement du territoire et du développement du territoire a une agence l'aménagement du territoire a une agence développement municipal a une agence de développement nous avons aménagé kuy aménager avons ñu pôle urbain de Diamniadio qu'est-ce que vous allez faire des investissements ñu le la nous avons la commission nationale pour le dialogue des territoires. On dit le haut conseil des cultures locales. n'y a qu'un président des champs président encore un ministère du développement communautaire. Mm-hmm. comme si le développement communautaire n'est pas une composante. c'est-à-dire sur 20 composantes, maintenant le développement du territoire on a au moins 10 entités qui existent et je pense que. au-delà Ligue IGE ces rapports là comme si les vrais problèmes ce sont les détournements ce sont les vols le vrai problème c'est structurel c'est l'administration sénégalaise qu'on a réformée et ce n'est pas en recrutant Ibrahim Sall def ben acronyme genre il nous a sorti comme nga PASAL le programme d'amélioration xam l'administration comme nous, nous gën acronyme euh, PUDC PIMA on ne gère pas un pays avec des acronymes je pense que le Sénégal a besoin de réforme de fond parce que on n'a pas sanctionné Abdoulaye Wade sur le sur l'angle des bilans on a sanctionné Abdoulaye Wade sur la gouvernance les gouvernance sobre et vertueuse mm. que reste-t-il de cela je pense qu'aujourd'hui, absolument rien Benen yoon jëm ñuko ko ci wolof parce que c'est très intéressant mais comme nous la wax gars ñi wolof bi lañuy gëna gëna gëna comprendre alors président Seydou Diouf defe interpellation question yi bëri na lool mais ce ma ko mënee tënk am lu am solo loo xam ni Aba wax na ko mooy réforme de l'administration bi finalement on se demande fu mu fu mu toll lu ngeen ci def leneen lu daaw de miin wax euh, IGE mu mel ni dañuy jeter en pâture euh, les gens comme euh, ce qui rejoint un peu di Aba wax est-ce que même si nous dans notre jargon on dit que les trains qui arrivent à l'heure euh, n'intéressent pas est-ce que IGE warul génne li baax ak li bon yëpp

té ñu bari xeyna fa lañ leen di épingler est-ce que ki wax prix bi gën a forcément moy ki gëna a baax ci liggéey bi yoy yëp defe naa war nañ ko mëna fram fa ci discuter ci mu indi ay léral mais déjà ci réforme bi ak ni ñuy wax jeter en pâture en général bi ñuy jiiñ euh, IGE donc une politisation de de de ces rapports lu ngeen ci tontu. waaw je pense que euh, d'abord il faut ñu sérieux question yi. Mm. lu njëkk li mooy. Mm. IGE dafa am mission. IGE dafa am mission exister en tant qu'organe de contrôle Bon, xam ne dañ ko placer ci vous président de la république lan moo taxoon loolu am Moi, président de la république dit réew mi Léopold Sédar Senghor à un moment il avait estimé que moom njiitu réew war na mën a am kuréel gu koy saytu mhm. doxalinu administration bi doxalinu administration vous c'est pas que des problèmes. D'ailleurs, c'est rarement des problèmes de, gestion de fonds et de deniers pour IGE. li ci ëpp si procédure administrative est-ce que nous pouvons respecter pour dire une décision yi lu L'IGE, ci IGE. Mm-hmm. mu jëm procédure administrative en relation avec les textes lois et règlements. ce que je veux à côté de l'IGE je pourrais rejoindre ce que Charles a dit. Mm-hmm nous voter voté budget 4 000 milliards. qui va ça a saytu après du IGE Cour des comptes mission au regard de la constitution. Cour des comptes def le rapport d'exécution de la loi de finances en soutien à la loi de règlement. indique assemblée pour nous voir ko. ñetteel bi mooy OFNAC di création président Macky Sall pour saytu les tout les polos nañ affaire corruption maintenant kuréel bu ci sa manière d'agir IGE mënul def programme du président de la république validé wu parce que ci autorité nek hmm. autrement exprimé ça et tout? c'est parce que le président de la république m'a autorisé pour nous def ko yoni, ko yoni. moo ko hmm. kon président de la république m'on nommé ñi ñu saytu hmm. mais je suis... kuréel gi pour mu dem saytu. est-ce que kooku a priori mën nañ wax né daf ko def pour am ku couvrir maintenant dafa am lo xamné ne mu ngi jëm ci conclusion yi nga xamné mom moom organe de contrôle yi def xam nga IGE bu liggéeyee ba paré liggéeyam forcément dafa am recommandation li ci am nak moy recommandation yi bu fekkee de dafa gis lu jubul mu ne nañ ko djubanti mën na ci procédure administrative je crois que Daouda l'a dit tout à l'heure bu fekkee ne dafa jëm ci walu gestion mu nek ay faits délictueux hmm. IGE ci boppam moi, recommander ñu enclencher une informe ouverture d'une information judiciaire fu recommandation bobu amul président de la république mënu ko def et il y a beaucoup de sénégalais yu sont ay cadres dans l'administration de 2014 à aujourd'hui que mon sur la base des rapports ou IG alors yu cour des comptes subir une sanctions parce que c'est des fautes ou des faits de gestion mais aussi c'est des Sénégalais qui ont des droits C'est une sanction, leen di opposé de sur la place publique c'est ça la vérité tu ne peux pas sanctionner quelqu'un combien d'agents de l'administration ont été traduits devant la chambre de discipline financière de la cour des comptes il y en a souvent pour des fautes de gestion comptable de fait Est-ce que c'est porté sur la place publique J'ai une, question. Parce que nous aussi, c'est des Sénégalais qui ont des droits. Ils ont fauté. La nature de la dépend du caractère ou faute bingadef. Oui, mais est-ce que l'IGE euh, avait recommandé à ce que Khalifa Sall soit poursuivi L'IGE, moi, vous me permettrez quand même. Recommandation, bon. Je pense que rapport IGE concernant l'affaire de Khalifa Sall nous avons wax nañ ci associé. oui mais c'est attends, attends. non moi, non non c'est non non non c'est-à-dire non c'est est-ce que le rapport a été déclassifié C'est nous, grave grand est-ce que le rapport de l'IGE a été déclassifié non mais il y avait des possibilités ouais, attends moi moi en tant que parlementaire mm-hmm. oui j'ai travaillé sur la sur ce dossier en mm. tant que rapporteur de la commission ad hoc sur la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Mm. Oui. Le procureur de la République ne peut pas s'autosaisir sur un dossier de l'IGE. Il ne peut pas s'autosaisir. Mm. Pour nous lever l'immunité parlementaire, il a fallu que le garde des Sceaux, au nom du gouvernement, saisisse l'Assemblée en transmettant le dossier du procureur de la République. Comment le procureur de la République, c'est affaire où mais ça ne répond pas. à ah, ah, non parce que comme le dossier n'est pas déclassifié au nom de quoi le bougouman moi contenu ay recommandations IG sur un dossier je ne peux pas le faire. la loi mais la liberté mais ça c'est une réalité. de le prétexte de l'emprisonnement de Khalifa Sall hmm, moi rapport au IGE hein? le mobile le mobile le mobile moi, Lila suis ah merci merci ah. parce que mobile ça me parce que dafa am ay roue quoi ah, ah. ça bouge le mobile le mouvement vers la prison cest le mouvement vers la prison c'est un mouvement j'aime bien ton mouvement directionnel vers la prison <laughs> non yo, war nga un film quoi Alors, c'est-à-dire vous nous souvenez ci 2015 2016 nous avons eu jëm ah. <laughs> rapport bi génn na. waaw. mais rapport boobu xanaa dafa ne xalifa Sall njuuj na léegi ñun waa IGE ñoo ne ndax li mu laal doy na waar yóbbu leen ko kaso c'est ma question mais répondre waaw mais waaw mais malal malal c'est que aussi xam nga man dama parlementaire. demain aussi. y rapport inspection générale d'État buñ déclassifié d'accord avocat dossier Khalifa mm-hmm. réquisitoire procureur de la République. Mm-hmm. réquisitoire vous am na fu d'accord nañ Seydou et on a compris non non Charles xaaral mais mais président Seydou lolou est-ce que du day findel ben yeuf pour pour reformuler et reposer autrement la kumba am nday kumba amul nday bi ñuy dénoncer ci rapport yi. mënul mënul nek lolou xaaral rek pap ablay hmm? mënul nek lolou dama ne la. de 2000 comment mënul nek loolu comment on pourrait l'interpréter autrement. dama ne de 2014 à maintenant non parce que lolou aussi c'est les règles d'organiser affaire bi cest à que l'inspection générale d'État, attention, c'est un corps, je pense que Wangoko, c'est un corps d'élite. Hein. On est, d'accord. C'est des hein. Sénégalais qui ont un un travail extrêmement important pour notre pays. Mais recommandation UDEF, aujourd'hui, il y a salué le fait qu'aujourd'hui, il y a le rapport déposé sur tous les sites internet. Avant, combien de rapports d'IG il y avait hmm. combien de rapports la Cour des comptes y avait mon tour, mais société bi mortelle ou il faut forcément principe de révision des comptes n'est plus attaché maintenant rapport génnee ay recommandations recommandations aussi, aussi faut concerner le plus important c'est quoi est-ce que l'administration en tire les conséquences pour corriger les barres à les bonnes nous nga de gestion Nous top, et en cela aujourd'hui beaucoup de comptables publics beaucoup de comptables publics dans notre pays dañ leen en beaucoup de comptables publics mm. mais duñ ko parce que l'administration n'a pas aussi à exposer des hommes et des femmes qui ont des familles qui ont des droits qui ont certes dans leur parcours def mais sanctionner nañ leen. mais président les sanctions ne sont pas publiées au journal officiel. Les sanctions yi ngay wax noonu disciplinaire que disciplinaire non non non non non c'est pas au journal officiel non non non c'est pas publié. non non non c'est pas c'est pas publié. ok les les fautes de gestion incriminées sont sanctionnées Il y a des xam nga de sanction fii lan la bu parce que xam souvent on a épinglé du tel ministre a été épinglé. Mm. Mais qu'est-ce que vous procédure, exécution, dépenses publiques mm-hmm c'est très complexe et c'est plusieurs acteurs qui interviennent, qui viennent de ministères différents. Mmh.